bonsoir tout le monde. Euh, je me nomme Ousmane Diaye, je suis le coordonnateur de la COGE de Dakar, secrétaire général de, la COGE nationale. Donc, euh, nous sommes réunis ici euh, dans le cadre d'un face-à-face avec la presse pour un peu revenir sur le travail colossal qu'a battu l'ensemble des responsables du département de Dakar sur le parrainage, mais aussi revenir aussi sur une conférence de presse qui a été tenue avant-hier par l'édile de Dakar en la personne de M. Barthélémy Diaz qui a défié l'État. Donc c'est de notre responsabilité en tant que jeunes citoyens de Dakar, mais aussi en tant que jeunes acteurs politiques, de porter la République. Merci. La Cogère de Dakar félicite tous les responsables militants et sympathisants de la grande mouvance présidentielle du département pour le remarquable travail en capitalisant 252 189 signatures pour le parrainage. C'est le lieu de féliciter tous les jeunes du département de Dakar qui se sont mobilisés pour collecter le maximum de parrains dans les différentes communes. Nous saluons à cet effet le leadership du président de la République Macky Sall, qui, à qui nous renouvelons notre engagement et notre détermination pour lui garantir une majorité absolue au soir du 31 juillet 2022. Nous lançons un appel solennel à toute la famille républicaine de Dakar de sceller l'unité face à ces importants enjeux des prochaines législatives, mais surtout à barrer la route à ces nouveaux types d'opposants anti-républicains qui ne sont omnibulés que par le pouvoir, quel que soit le prix et la manière. La convergence des jeunesses républicaines de Dakar, la cogère de Dakar, profite de cette occasion pour monter au créneau ce samedi 7 mai 2022 afin de porter la République au maire de Dakar, M. Barthélemy Diaz. Suite à sa conférence de presse, suite à sa conférence de presse, tenu le jeudi 5 mai dans les locaux de la ville de Dakar, où il n'a pas raté, par un argumentaire irresponsable, fallacieux et honteux, de défier l'État du Sénégal. Depuis sa récente élection à la tête de la mairie de Dakar, le présumé assassin de Diaga Diouf ne cesse de poser des actes qui n'ont aucune connivence avec les chartes républicaines. Il a d'abord commencé une chasse aux sorcières, aux ex-collaborateurs de la maire sortante, Wardini, pour mieux dérouler son plan machiavélique de détourner l'objectif de la confiance des Dakarois. Connu comme étant un homme politique sans background intellectuel, le maire Diaz a raté le train de l'histoire en boycottant le Forum mondial, de l'eau tenu à Dakar le 21 mars 2022 dernier sous des prétextes bidons et injustifiés. N'est-ce pas un signal que ce a oublié dès la soirée de son élection qu'il doit être un élu au service des Dakarois et non d'une quelconque organisation politique son refus catégorique de, se conformer à la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar pour la recomposition du bureau municipal pour non-respect de la parité, nous en disons sur ces véritables intentions de ce monsieur. Le décret numéro 220-30 du 8 janvier 2020 fixant les organigrammes type de collectivité territoriale ne prévoit ces postes. Ce que le maire Barthes n'ignore car il a reçu une lettre circulaire qui l'invite à appliquer le du décret les décisions du maire concernant les remboursements non conformes à la réglementation, un virement de crédit nébuleux à hauteur de 2,3 milliards sa promptitude à réaménager le budget primitif nous rend trop sceptiques. Des virements à hauteur de 1,5 milliard plus une augmentation de la rubrique de la participation diverse et des dépenses diverses à hauteur de 300 millions. Devant ces tentatives de détournement, qui n'ont aucun mobile d'autre que préparer la campagne électorale des prochaines législatives, le préfet doit être interpellé <clears throat> sur ces actes nébuleux et prendre les dispositions qui La COGER de Dakar ne peut aucunement qui La COGER de Dakar ne peut en être aucunement surpris qu'un redistribut de la trame de battre à son jeu, qui est toujours à son jeu favori, consistant à inventer, à accuser et à salir les bonnes actions du président de la République. Ce n'est peine perdue. La cause de Dakar, fidèle à ses missions politiques, ne cessera de mettre hors état de nuire toutes sortes d'entreprises visant à divertir ou à désinformer le Sénégal sur tous les projets que le gouvernement entreprend. On ne saurait terminer sans féliciter son président de la République pour ce qu'il est en train de faire et mettre en garde le sieur Barthélémy Diaz qui doit arrêter ses pratiques qui sont des pratiques peu orthodoxes, sur des pratiques antirépublicaines au risque d'une révocation de sa révocation à la tête de la ville de Dakar. Merci. Je suis coordonnateur de la Cochon des Liberté, également euh, militant au sein de l'Alliance pour la République. Euh, je pense que une adresse ça va directement à, Omer maire Barthélémy Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à deux faits. À une illégalité résultant de ces actes, euh, avec, avec un acte de déshonneur parce que je pense que déshonneur on nañu wax sax d'immoralité tey jii nii mais Dias mel que la mairie de la ville de Dakar est un démembrement de l'État tey jii moom li ko fi teg ba maire ça découle des textes et des lois et nul n'est censé être au-dessus des lois je pense que Warona a jàngee ci jurisprudence Khalifa Sall qui était maire précédemment avant moi. tey il dafa am ñaari dafa am ñaari base base légale yoo xamante ni ñoom régir pour montrer l'illégalité de ces actes il y a d'abord le décret 2020 30 du 8 janvier 2020 Le décret est uniquement pour limiter le fait que les maires puissent créer des emplois parce qu'on savait bien qu'il y a des emplois au niveau de la mairie c'est des emplois les gens le font juste pour des pour pour des faits politiques et cette loi et ce décret est venu pour parer cela. Donc, les médias, je pense, comment faire outre à ce décret. Il y a également l'article 243 du Code des collectivités locales qui stipule que tous les actes individuels pris par le maire doivent être présentés aux représentant de l'État. Qui est le représentant de l'État C'est le préfet. Et donc, quand le préfet il donne des observations allant dans le sens de dire que ces actes pris par le maire ne sont pas valables Barthélémy Dias moom la xalaat la war def ba valable qu'il n'oublie pas que il est juste le maire de la ville de Dakar et que la ville de Dakar c'est un des moments de l'État donc moom tey jii le buy patron président Macky Sall mooy patron am kon kooku mënul nekk moroomam mon xamante ne mooy sa patron mënul nekk sa moroom kon Barthélémy Dias je pense que fugam bi nga xamni mom la amee yore won ko mairie Baobab ba tay incident yi nga xamni yépp tay ji moko top sur le plan judiciaire tay ji je pense que loolu la bëgg a wat indi wat ko fi ci mairie de Dakar mais les choses ne sont pas ne sont pas pareilles parce que tay ji on parle de la ville de Dakar et quand on parle de la ville de Dakar c'est les 19 communes du département de Dakar donc ñun ñëpp am nañ ci œil on a ben œil bo xamné c'est un c'est un œil de contrôle et d'observation et ni ñu gisagum Barthélémy Dias tàmbale ko ni ci ay actions politiques ça nous montre juste de l'immaturité Aujourd'hui, je man il est très immature immaturité il weesu ñu indi la Il sax genn wàllu at Il nga a nekk ci préoccupation euh, yi ak tout ce qui est attente ak demande sociale yow nga ci lan quand quand il dit que ni attaqué l'État, je pense que attaque état mënul weesu des gens ils ont été révoqués et la révocation relève de deux choses l'un par irresponsabilité à savoir Guimay Marius l'autre par déshonneur déshonneur mooy nga nek ci lo xamante dafa nek benn bànqaasu réew mi ñu fay lacté quelqu'un bo xone day intègre on ne voit pas d'intégrité dans euh, dans les gestes de de capitaine Touré parce que dañ ko jox une instruction l'instruction est secrète mu dévoiler ko à la place publique il a été révoqué révoqué révocation dafa am ay effets ces effets dafa découlé ci salaire am di koo dagg état mo def lolu yow nga mën da ngay jël par ricochet ou bien par autre voie pour état fayat ko non l'état est très logique et l'État est très cohérent dans ce qu'il fait. Donc je pense que peut-être Barthélémy bu ko comme je pense que nous avons eu ci bataille yooyu noonu ba capitaine Touré jël euh, Guy Marius Sagna muutal leen ay parce qu'il a parlé de la sécurité il a dit que le capitaine Touré dama koy nommé conseiller technique à la sécurité la sécurité relève du domaine de l'État Ce c'est pas des compétences transférées donc le mën capitaine Touré et Guy Marius Sagna garde corps te man jàpp naa ne tey jii nii bu ñoom bu de Dakar mun ñu fa nekk leen ci ginnaaw Barthélémy Dias ay garde corps et exemple je pense que nous avons ñu suñu exemple du suñu exemple parce que ils étaient dans la fonction publique Nous ñu génn ci fonction publique bi pour faire quelque chose de c'est purement politique donc cela montre que dans dans l'exercice de leur fonction ils ont été des gens qui ont été des traîtres les traîtres parce que on parle de l'État et de l'administration tout toute personne qui agit contre l'État, contre l'administration, on peut le considérer comme traître. Et pour, pour moi, nous sommes traîtres. Que Taïgi, les Diaz, c'est le dernier, je pense que mon dernier appel, le dernier appel que je Barthélemy Diaz, il faudrait qu'il sache raison garder. Que Mohamni, vous nous fait maire de ville de Dakar, nous avons qui hauteur et responsabilité. Et aujourd'hui, nous avons confirmé que leur grande coalition découlant de l'autre qui a son procès est toujours en cours découlant de, euh, comment il s'appelle, le capitaine Touré qui a été révoqué, découlant également de euh, Guy Marie également il a été révoqué parce qu'il n'a pas respecté li nga xam ne tey on pourrait dire que donc aujourd'hui cette coalition n'est qu'une coalition de bandits et de gangsters et nous, nous sommes la jeunesse de la du département de Dakar département de Dakar un département là. et nous ferons face à toute personne boo xamante nous Nous que les actes yi nga ne va pas pour l'intérêt de Dakar ça va pas pour l'intérêt de la jeunesse de Dakar et que l'État restera toujours l'État et que nul ne sera au-dessus des textes merci beaucoup